blaza Blaza. dit la machine te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Mine ti plasana i sao ye, ao ye, ai si bai so ako, ai oe, ai oe. Mine ti plasana ye, ao ye, ai si bai so ako, avec ma voix j'ai Yeah! Ma chantiment, ni partage, ah uh ah. -huh. Avec vous, dit. Yes, <laughs> Tiblaza, comme on dit. Euh, n'est-ce pas Tiblaza que j'ai connu au sein d'une formation. Alors, ce qu'on va faire, Tiblaza, aujourd'hui, on t'appelle pour permettre à Tawa de s'exprimer sur cette émission parce que le studio Kalangu, c'est aussi la région de Tawa. Alors, normal, c'est tout le Niger qui te kiffe à travers donc euh, ce numéro et aussi le monde entier à travers le site du studio Kalangu. Parlons de Tiblaza. Qui se cache derrière Tiblaza? Il Abdel Nasser Abdel Nasser il est né en 1989. Ok. Donc, euh, j'ai commencé dans une formation appelée RSK. Ok. Et dans le temps, donc, euh, j'ai volé aussi dans Niflo. Ok. Maintenant, comme l'artiste euh, a beaucoup d'histoires à raconter, il a beaucoup de choses à dire, quoi. Et raison pour laquelle j'ai décidé, donc, effectuer mon album solo, okay. je n'ai pas encore titré, mais le titre viendra de dernière avec la sortie des, des sons du, du lancement, Inch'Allah. D'accord, super. Parce que, vous faites cette rubrique permet aux jeunes de te cerner en 5 minutes. On sait euh, déjà en quelle année tu es né. On sait aussi comment est-ce qu'on t'appelle, hein, c'est-à-dire ton vrai nom. Alors, on va parler un peu de tes débuts, de quand est-ce que tu as commencé le rap, mon ami. Tu te rappelles oui, je me rappelle. <laughs> Ok, super. J'étais en classe de 6e, je, venais chez un ami là. Ok. Il s'appelle Paté là, baron de la guerre. D'accord. Donc, euh, je, l'ai trouvé en train de répéter un son là. Je mhm. me rappelle bien même du son. Ok. <laughs> Donc, il a dit Est-ce que je peux faire quelque chose Je lui ai dit Bon, tu me passes euh, euh, ton papier là, je vais essayer. Et donc, j'ai posé là-dessus. Il a dit Bon, on va partir ensemble. Donc à partir de là on a créé le groupe Escran. Escran avec donc Baron de Lader, que je connais très bien d'ailleurs. Oui, oui. D'accord. Après maintenant, maintenant, on va parler du parcours en question, n'est-ce pas, du combattant. De Esclan, tu as embrassé, euh, n'est-ce pas, une autre formation. Ok, ils t'ont souhaité la bienvenue, vous avez euh, constitué le groupe ensemble. Je parle de Nuflo, parce que nous, c'est surtout dans Nuflo qu'on t'a connu, mon frère. Parlons de cette formation dans, dans laquelle tu as évolué. Oui, justement. Et en tout cas, Niflo, on était vraiment des frères soudés, collés tout le temps. Les inspirations, ça vient, on cogne, on, lance vraiment. C'est grâce à Niflo que aujourd'hui, je suis véritablement connu, quoi, au fait. D'accord. Alors, Niflo, ils sont où les autres ils sont là, ils sont là, ils sont en train de bosser aussi. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, le, pourquoi Parce qu'on t'appelle pour ça, on a appris que tu veux donc évoluer en carrière solo. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi, n'est-ce pas, de cette carrière solo Et la carrière solo, vraiment, c'est pour parler de ma vie, puisque vous savez que quelqu'un qui raconte son histoire, si tu approches quelqu'un, ah. pour parler de ton histoire, il ne va pas parler et concrètement de ton histoire, puisque c'est toi qui as vécu l'histoire, mhm. vous voyez un peu, non Quelqu'un d'autre ne peut pas parler de ton histoire. Super. Donc c'est pour cette raison que tu as préféré raconter ton histoire seule. Oui, mon histoire, c'est le fait que j'ai vécu dans la vie et ce que je suis devenu avec le temps, tout ça là. Voilà, c'est un peu ça quoi. D'accord. Donc on va parler de ton histoire dans un deuxième angle pour l'instant. Nous sommes à la fin de cette première partie et j'espère que les jeunes ont retenu au moins quelque chose de l'artiste Blaza. Alors l'instant est solennel, l'artiste exprime c'est une minute de temps d'antenne qu'on te donne pour donc dire tout ce que tu as au fond de toi. t Blaza, il est là, le rap pour le pays et on dit qu'il est vraiment quand l'artiste avance et tout, qu'un pays qui avance et donc, on a besoin du soutien de tous les fans hip-hop nigériens, de tous les grands qui peuvent soutenir l'artiste jusqu'au bout, que l'artiste lui, c'est ce qui vit à lui. Donc, il s'agit juste de l'épauler et l'écouter. Et Inch'Allah, ce ira bien. On fera la fierté de notre pays. Et je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci Biga Paris. Spécial remerciement au studio Klango pour ce qu'il fait pour, les artistes du monde entier, qu'il y a d'autres qui se trouvent quelque part dans le monde, c'est toujours des Nigériens. Donc merci euh, vraiment pour ce qu'ils font de nous. ils nous aident à grandir, à être reconnus sur le plan international, si je peux le dire. Tiblaza, très très prochainement, quand tu seras à Diamé, on va te recevoir dans les studios Kalangu en chair et en La machine prend congé donc de vous, mesdames et messieurs. Rendez-vous demain avec Tiblaza.